Euh, Monsieur Michel Diouf, président du Cercle culturel. Euh, Monsieur M. ancien récipiendaire. Chers collègues maires. Madame vous présente toutes ses excuses parce que calendrier oblige, elle est hors du territoire national. Elle aurait souhaité être là parce que profondément ancrée dans la culture sérère et la culture de Léopold Sédar Senghor. Chers invités, nous sommes aujourd'hui réunis autour d'un symbolisme inscrit maintenant dans l'histoire culturelle de notre commune porte d'entrée du royaume d'enfance très cher à Léopold Sédar Senghor. Chers invités, vous n'êtes pas sans savoir que la légende a perpétué, hors de nos frontières, Excalibur et Durandal dans l'univers culturel européen. De même, en instituant le Salmador, vous pérennisez la grande histoire des Saltigués, intermédiaire entre les hommes et le royaume de l'ombre. Euh, Monsieur Boukounta Diallo, c'est la cinquième édition. Mais ça n'empêche de visiter l'histoire du Salma. Dans la pure tradition le Salma, si j'ose le dire, est une force qui va. Il focalise l'énergie des quatre éléments qu'il insuffle, à son détenteur. En effet, le soufflet anime le feu, le feu fait fondre le fer et le rend malléable. L'eau précipite son attraction et son adhésion et le rend inaltérable. Voilà la force du Salma. Et dans l'ancien temps, normalement, monsieur, Diallo, on aurait dû planter le Salma et vous demander de le soulever. Si vous le soulevez, les djundjung vont sonner. Malheureusement, la tradition oblige. Aux membres du cercle culturel, Madame vous fait savoir qu'en perpétuant le salement, vous ranimez la culture serrère agressée actuellement de toutes parts, les technologies nouvelles aidant. Madame le, maire vous fait savoir qu'elle est avec vous et restera avec vous pour perpétuer saint Saint-Gor. À la famille saint Saint-Gor, je ne vous dis pas soyez les bienvenus, vous êtes chez vous. Maître Bukunta, nouveau récipiendaire. Que Dieu vous garde. Madame vous souhaite longue vie et espère que le salma que vous aurez entre les mains renforcera votre force et vous éclairera la voie. Que la fête soit belle. Merci. Joël a été aussi pour le jeune Senghor, la terre dans d'enracinement dans la culture serrère. Dans sa lettre à trois poètes, Senghor fait ce aveu. Il y a les poétesses populaires de mes villages d'enfance, Dilor et Joal, mes trois grâces. Il reste que celles-ci ont été mes premières audiences avant l'âge de 10 ans. En effet, auprès de Koumba Ndiaye, et Sigajouf, il s'est familiarisé avec les hymnes, les traînes, les chants gymniques du monde serré. Oui, chants gymniques. S'il y a une facette de la culture serrère qui a émerveillé Senghor, ce sont bien les séances de lutte qui, après les récoltes, drainaient des lutteurs en provenance des villages du royaume d'enfance et d'ailleurs. Qui ne se souvient des entrées fracassantes de ces lutteurs Clochettes aux pieds, cornes à la main, cure-dent entre les dents, amulettes sous la poitrine, drapées dans leur panne noire occasion donnée aux mères de reconnaître leurs enfants parmi tant de champions. Reconnaître ton fils parmi ses camarades, comme autrefois ton champion Corsano. Parmi les athlètes antagonistes, à son effort et à la délicatesse de ses attaches. Des années plus tard, pensant à sa mère accablée par le poids de l'âge. Le fils Senghor regrette de ne pouvoir être son champion Korsanou, qui, tel le palmier de Katamag, domine tous ses rivaux de sa tête au mouvant panache d'argent. L'ancrage dans le monde serré ne va pas sans un attachement profond à la religion traditionnelle. C'est pourquoi, chez Senghor, Joal, c'est aussi la terre d'initiation au mystère des religions. D'abord à la religion païenne. Senghor est avant tout un animiste, comme il l'écrit dans la poésie de l'action jusqu'en 1913. J'ai vécu dans un milieu animiste. Ma vie privée était enracinée dans mon clan de Tabor. J'étais animiste à 100%. Tout mon univers intellectuel, moral, religieux était animiste et cela m'a profondément marqué. Ainsi, il a consulté les initiés de Mamangé au sanctuaire des serpents pour scruter l'énigme du sourire de sa bien-aimée. Ainsi, il a, il a, offert un poulet sans tache, debout près de l'aîné. Ainsi, il s'est souvenu des processions des femmes de son village qui, au jour de sécheresse, en hivernage, pour faire rire Dieu et pleuvoir, s'habiller en pantalon, casque, lunettes noires et parlant français. La religion de Senghor, c'est aussi le catholicisme auquel a initié le père Léon Dubois. Religion qui, au dire de Saint-Gor lui-même, était une religion traditionnelle avec des chants latins qui gardaient encore le mystère des bois sacrés, des pangoles serrères. Très tôt, Saint-Gor a pu assimiler ses héros serrères au sein et son dieu serrère au Dieu chrétien. Convaincu que derrière ces trois grâces, enracinées dans la terre serrée et les inspirant, il y a toute une ligne d'ancêtres, d'initiés, qui, dans les bois sacrés, les serpents, ont entendu la voix, ont entendu la voix, ont chanté et dansé la danse du Dieu. C'est ainsi que avec les voix païennes qui chantaient le tantum ergo. Senghor a pu chanter l'Ave Maria du soir, l'Ave Maria de Joal. Participer aux processions avec palmes et arcs de triomphe. Rencontre du paganisme et du christianisme. Premier pas vers l'inculturation qui sera au corps de la réflexion de Sèvres. Jusqu'ici, les réalités que nous avons décrites et que chante Senghor sont son moi profond, tel que l'on formait son ethnie, son histoire et son cadre de vie. Parce que pour Senghor, enfin, Joal c'est la communion avec la nature. Cette nature de joie qui apaise. Et comme l'écrit le poète, longtemps je dormirai dans la paix joalienne. Car Joal, c'est la brise qui visite le poète. À l'heure où les oiseaux vieux messager d'ancêtre chantez doux la rosée du soir. Car Joël, ce sont les alizés qui, jusqu'au milieu de l'hivernage, soufflaient et tuaient moustiques et moutou permettant aux jeunes amoureux de contempler dans la nuit joalienne sa princesse se coiffer devant le miroir de ses yeux. Car Joël, c'est enfin Joël Lombreuse qui a inspiré au fils de Joël cette prière. Toi, Seigneur du cosmos, fais que je repose sur Joël Lombreuse, que je renaisse au royaume d'enfance, bruissant de rêves ce n'est qu'une prière. Vous connaissez ma patience païenne. Cette prière, Colette l'avait fait sienne pour son fils Philippe Magdeleine. Et de son fils, écrit Gore. elle avait fait l'enfance elle avait fait l'enfant de la terre sénégalaise. Et un jour, il reposerait profond dans la terre de Mamangage, près de Djogoy le lion. Maintenant, Cocolette les a rejoints. Sans doute qu'enfin prendra enfin la patience de saint sans doute qu'enfin prendra fin l'attente des Joaliens. En attendant ce jour, continuons à porter haut le flambeau de l'héritage de Senghor. Le Joël que Senghor chante et que nous avons connu et aimé il nous sera difficile de le retrouver aujourd'hui. Au aux mœurs. À chaque époque, sa particularité. Mais Senghor avait un rêve, celui de voir un jour les civilisations dialoguer, les peuples se métisser biologiquement et culturellement. À l'image de ce Homo sapiens, notre ancêtre à tous, qui était métis, né du dialogue de corps et de cœur, et des esprits. Comme Moïse, Senghor n'est pas rentré dans la terre promise. Terre de négritude et de modernité. d'autres après lui vont y pénétrer. Ces autres, c'est nous, Joaliens, dignes héritiers de Cédar, celui qui n'a pas honte et qui n'aura pas honte, à condition que nous, Joaliens, nous participions à la réalisation de son rêve. Alors, en ce moment, ce digne fils de Joël, cet écrivain, ce poète, cet homme d'État, cet académicien, en ce moment-là, pour lui, tout sera accompli. Alors,

ne lu dul jàmm rek jàmm moo ko te ñun si lii lañu ñu mooy jàmm ci jàmm rek la ñu kon nag jàmm jooju ñu ngi ñaan yal na yal na sax yal na continuer ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si Seydina Muhammad xam naa ne wax si turu maire yi du yomb mais dañ leen di remercier bu baax ndax ak chaque fois en général fu ñu tasee ñu jël honneur boobu jox ma ko kon maa ngi leen di sant bu baax di wax le maire Mamadou Ndion, le maire de Diass le maire de Ngaparou le maire de Somone boo gisee ku si yegg si rek ma jóg jox la sama place deug la xejne ne si métier bi man na am ñu jitu len si mais bu ñu xoolee si at yi ñom ñoy suma mak té nak ki la mag rek mak rek lay tudd donc lool motax tax ku si ñëw rek ma jox si ma toogoon jox la di leen gërëm bu baax di leen sant di gërëm bu baax nag waa Joal di leen sant bu baax parce que man bala may wax ci trou maire yi damay wax ne Joal dama leen ameel àllarba te su ma ko expliquer ci ñaari mbir dinañ ma ko may benn bu njëkk bi mooy bi may ñëw fii di dem géej boobu gaalu wiir la ñu jóge jëlee sali ñëw fii boobu moteur bareegul boobu ñu ngi doon dal suñu kër papa Ilimane euh, Mané kon loolu du tey lu lu yàgg la samay gaal man personnellement bi ñuy campagne Joal ñu ngi doon dal sama kër papa Saaku Dem bi may ñëw Joal boobu ki doomu suñu papa Ilimane Mané ñu di ko wax Aliou tey ñu bari di ko wax double mu ngi doon lang boobu mu ngi doon lang boobu mu ngi doon nekk apprenti si car rapide kon nag je pense que loolu cosaan la loolu lu yàgg la tey ñu ñëw ànd ak koo xam ne jàpp naa ne ñëpp wax nañ ko tey su amoon lu président sengoor doon joxe ñi nga xam ne ñoom la gën a bokkal ci deret bëgg loolu met bu Kunta Diallo bëgg loolu président Senghor dina ko xañ ñi mu gën a jigéen ñi ci wàllu deret te jox ko met bu Kunta Diallo loolu nag du hasard damay wax ne fii ñu ñëw tey Joal bokk na ci dëkk yi nga xam ne sénégalais yëpp comme man ni ma leen amele àllarba sénégalais yëpp noonu lañ leen amele àllarba parce que nag réew mu nekk am na cosaan te jàpp naa ne nag tey président Senghor waxuma la Sénégal mais àddina bi yépp ko jox cër ñëpp ko respecté damay jàpp ne tey su dekki suñ ko mënoon dekkelaat taxawal ko rek ñu taxawal ko rek képp kuy def politique rek xool ko nii rek damay jàpp ne boo delloo sa kër lépp loo amoon ci lu ñaaw di ko bàyyi loolu yaakaar naa ne ñëpp nangu nañ damay jël rek président Senghor sax sori na mais ma ñëw rek yem si André Sonko nee naa ñi ma gën a jàngal modestie maanaam simplicité André André Sonko ci la bokk bi muy ñëw à Saly si laa gisee koo xam ne boobu xaw moon ne sax ministre la mais da ngay gis bu ñëwee noo votel bu kenn ñëwee taxaw moom wax ba pare nga gis kenn ku tey si service bi xëccaat mu topp ko bu kooku paree keneen xëcc bu ñu amee om de valeur yu mel noonu ñun amuñu droit liñ fi jëmbatoon saxal ko ñun amuñu droit ñëw di ko gor wala ñu ñëw di ko lakk amuñu set droit la kon damay ñaan ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla natt ñu nekk si classe politique bi ñu delloosiwaat suñu xel te xam ne dañu am ay nit ñoo xam ne su dul woon ñoom tey duñu am taawu mun a nekk fii ñooñu nag li ñu tabaxoon bàyyi ko fi ñun amuñu droit mujje ko ba pare muy réer si suñuy loxo kon ñu ngi ñaanaat ñëpp ñu ñëwaat à la raison ñu gis ne Sénégal suñu Sénégal la benn gaal kese la te ñun ñëpp suñu ëmb si gaal googu la nekk kon ñun kenn amul droit ne na gaal gi diig parce que bu gaal gi diigee rek sa ëmb dafay diig te su sa ëmb diigee sa dund dafay jafe ma ñëw nag si ki tax ñu ñu daje fi tey di Maître Boucounta Diallo ma jël rek man exemple si man te li may wax ni yeneen maire yi ci toog yëpp ku si jëloon kàddu loolu valeur yooyu ngay wax si moom man ku ma xam xam ne ñun napp rek lañ xam xaw ma woon si àdduna lu dul dem géej dem tool jàpp jën man loolu rek laa defe noonu mooy métier si àdduna su ma mosaana dégg bureau grand Momadou damay naan ku fa nekk lan lay def parce que xam ngeen ne demkatu géej moom dem géej jàpp jën rek la xam kon nag damay wax ne su ma mosaana tëmbe sali ñu jëm Sangomar su ma mosaana jël buum bi takk ci sama ndigg tànk si teg takk si bangu gaal bi sama xel dal na am du ma jógee sali dem ba Sangomar di wax beneen capitaine kaay aw ma man man na ko def aller retour kon loolu mooy sama métier beneen bi ci des ci jàpp jën île de Malouine un an après guerre bi def naa fukki weer ak ñaar ci île bi ci diggante Angleterre ak Argentine bi guerre bi jeexee def naa at mu mot ci île de Malouine boo xam ne bii jàpp rek laa ko doon def kon man loolu mooy sama métier mais c'est grâce à cet homme-là moo ma bàyyi Sénégal tey ci gis-gisam ci xam-xamam ci vision boobu xalaatuma ko ci benn ndaje bu ñu amoon ci benn tournant nawetaan moo may xool ba ci yàgg ne ma Ousmane bàyyi la nga delluwaat États-Unis erreur la yow dama bëgg nga wax ma lan nga bëgg ma fexe taxaw ci loolu pour nga rester Sénégal parce que li ma gis ci yow bu ëllëgee war nga bokk ci ñi nga xam ne dañuy jariñ seen askan kii moo ma defal loolu loolu nag nettali ko ci bés biñ ko defal tey dafa jaadu parce que jamono jooju Sénégal jamono i demewul noonu c'est en 89 mooy histoire bi nga xam ne moo amoon diggante Mauritanie ak Sénégal soo demee dëkk bi ñuy wax campement Njekoox soo demee première boutique bi ñu fa jëkk ubbi si quartier bi ñuy wax HLM man mii maa ko ubbiwaat c'est grâce à cet homme là bi ma nee doo demaat lan nga bëgg ma ne ko man daal à part navigation man commerce moo nekk sama passion mu ne ma kon danaa la jàppale nga def commerce ñaata nga soxla ma ne ko trois cent mille boo taa trois cent mille grand du xaalis bu dul jeex la boo ko joxee ku mel ni Mamadou Mbeng ma lay ci jamono yooyu day dugg néegam dina ko compter mille fois ba xam ay millions la wala ay trois cent mille ndekete met bu Kunta Diallo grand lettre bi ma defal lettre de garantie bi ndekete deux millions la bi ma demee ci naar bi ma booleel naar bi di génn di jal rek di génn di jal man jékki xol dal bi ni mu tollu mané non li 300000 waru ko man ma dem ci nar bi mané ko da nga joom de mune ma a ah, lu xew mané ko parce que li janguma tubab mais li ëpp na juróom benn fukki junni mune ma yow du juróom ben fukki junni nga fi am de yow ñaari million nga fi am c'est grâce à cette somme là benen bi ci dess moy le département de Mbour daf ko amee njukkal man suma yalla maye ma jéxal mandat bi may def damay am 34 ans di gouverner collectivité territoriale xam naa dina jaaxal ñu bari parce que def naa commune Traalu Malicounda fukki at ak juróom-ñaar 17 ans depuis 2009 sur le maire de Saly kon nag su ma amee réussite si 95 pour cent si samay jéego maa ngi koy jëlee si xalaatam bii mais nag su ma ñëwee fii di gërëm met bu Kunta Diallo damay gërëm waa cabinet yépp mais damay seppi kenn kum ma bolel té cabinet bi yépp dinañ mako nangul muy maître Sekmi Adam sa jëkkër ji ku baax la waye kim ma bolel ku baax la ki dafa wax légui né yeen jang kat tuba bi xawma naka ngeen koy wax da ngeen né ya euh, tout le temps si yaa une grande homme derrière yaa une grande dame man mi déggul tuba mané non non si y'a un grand homme à côté de lui y a une grande femme à ses côtés mais pas derrière ça je ne suis pas d' man toujours ci ci côté bi c'est que ñun ñu déggul tubaab non lañ ko mëna a définir loolu laa jàpp kon du adam Adams dafa nekk ci ginnaaw mais adam Adams dafa nekk ci côté Me Boucounta Diallo pour soutenir ko té sama tonton wax nako légui diko di félicité bu baax xamna naa temps bi dafa xat mais ñu ngi leen di gërëm bu baax té li waxuma ngeen parrainé ko Me Boucounta Diallo wala kuma xaritol mais suma ma chaque année waxuma tant que je suis maire mais at mu jot saay bu ma ko yëgee xam waxtu wi si kàttanu yàlla te ma am possibilité ñëw damay jàpp ne force le pour ma ñëw te loolu obligation la pour sama yeneen morom yépp parce que dañ fiy ñëw pour ñu ressourcer wu di gërëm le maire de Joal parce que jàpp naa ne tey maire bi moo fi nekk parce que son premier argent est là te ki ñu yónni titre ki ko yónni la am maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di nuyu nag sama kilifa sama nijaay di tonton Boukar Diouf mais di ñaanal le maire sortant tonton Boukar remplacé muy sama nijaay di vraiment Poli Ndong di ñaanal bu baaxa je pense que ngi gërëm ñu ngi leen mais dama wax ne defal homme de valeur la li ngeen ko parce que qualités ses valeurs damay Japonais ne bu nous suñ ko multiplier damay jàpp ne droit la wala cër la ñu multiplier ko gox bu nekk ci Sénégal mën a am un maître Boucounta Diallo kon ñu ngi lay gërëm bu baax ci turu maire yëpp di la sant ci délégation bi nga àndal mais di gërëm waa Joal mais di leen gërëm yéen ñëpp bi ngeen ñu mais occasion wu tey ñu mën a ñëw xam naa ne maire yi fi toog yëpp kenn waxuma sax maire yi mais fi période Sénégal toll ku fi toog di borom kër am nga occupation bu la mënoon empêcher pour nga déplacer wu ñëw fi kon soo fi ñëwee tey am na lu tax mais jàpp naa ne ñaar mooy ñëw pour xam kër Senghor jar na lu ko ëpp mais ñëw pour gunge met bu Kunta jàll jar na lu ko ëpp ñu ngi leen di gërëm di ñaanal suñu papa yi nga xam ne ñoo yore salmo bi di ko joxe seen gu fan gudd ñu man yàgg di ko joxe ki koy jox aussi liñ ko defal jik ko mu meritoo ko jik famem di nuyu suñu mbokk waa jilaax yi di leen gërëm bu baax a baax di jeexale foofu ngeen baal maa ko wasalaam merci beaucoup Merci, monsieur le maire. Très mort, mes amis. Couchez-moi sous Joël la portugaise. Des pierres du fort vous ferez ma tombe, et les canons garderont le silence. Deux lauriers roses, blancs et roses amourront la signale. Quand j'aurai perdu les narines et soif de tendresse vivante, telle une boisson de prédilection, Versez, mes amis, sur ma tombe le lait de vos prières, le vin de vos chants Faites Là-haut chanteront les alizés sur les ailes des palmes Ah, ce chant qu'il brise toujours, le chant marin la nuit, soyeux sur les ailes des palmes. La rumeur doucement dans ma poitrine qui me tient éveillé, je dors et ne dors pas et je vois le lait, le vin, la nuit qui sur les palmes. Et Maron, la poétesse, que c'est Sédar Senghor, fils de Yogoy le lion et de Nilan la douce, si fort, il aima le pays serré, les paysans, les pasteurs, les pêcheurs, les athlètes plus beaux que Philao et les voix trop graves des vierges, qu'à la fin, son cœur se rompit quand je serai mort, ma Seigneur, couchez-moi sous joie l'ombreuse à l'ombre des ancêtres. Quand je serai mort, mes amis, couchez-moi à l'ombre de mes ancêtres, haut sur la terre, au pied de mon père, de Jérôme le lion vert. Mais surtout, ne me couchez pas sous l'eau. Qu'au loin j'entende rouler l'eau la nuit. Berce-moi de l'océan chant des alizés dans les palmes bleues et et dix Iron Et Gilena chantant Te Chikit Segam Sengor vous Chikit Sedar de Nilan, il est matin les tannes et les troupeaux, sur les arènes clairs sonores, il est matin les fileuses des champs gymniques, et Ekumba, Marron, Gorge d'or, et les couches au bord des fontaines, Oh, il aima tant le pays serrère qu'à la fin, son cœur se rompit. Et il repose parmi nous, comme il avait prié. Et mes chants le berceront sous la terre maternelle. Quand je serai mort, mes amis, couchez-moi sous Joal la portugaise, dans la fraîcheur des tamariniers. Je dis, couchez-moi sous Joal l'ombreuse. dans la Seigneur père de et de Je vous remercie. Merci, merci encore, merci trois fois. Je voudrais m'acquitter d'abord d'une dette de reconnaissance à l'endroit de toutes ces personnalités et toutes ces populations serrées réunies aujourd'hui ici à Kerjogoy pour fêter un événement qui s'appelle l'excellence et qui est malheureusement aujourd'hui rarement fêtée. Je voudrais remercier l'ensemble des autorités politiques, traditionnelles, religieuses, des élèves, des étudiants, des journalistes et surtout des artistes qui ont tout sacrifié pour être là aujourd'hui avec nous pour fêter cet événement qu'on appelle l'excellence. Pendant mon adolescence, j'ai eu le rare privilège d'être dans l'intimité du président Léopold Senghor, ce qui était un honneur et un signe de confiance pour lui, surtout qu'il savait décrypter des signes de ma mort. Mon amitié avec son fils Philippe Maguilène Senghor était sans doute pour quelque chose dans l'affection qu'il me manifestait en de multiples occasions. Chacune de ces occasions me permettait aussi de découvrir une des multiples facettes de cet illustre homme qui est entré dans l'histoire. Poète d'abord, politique ensuite, car il aimait se définir avant tout comme poète avec insistance. Cependant, l'on a constaté dans ses différentes œuvres de recherche qu'il était passionné de mouvements de l'histoire, des civilisations, d'anthropologie et de langue. Comprendre alors Léopold Senghor suppose qu'on adopte la démarche de Henri Bergson qui nous indique comment il faut lire un homme aussi complexe que lui et autres philosophes. En effet, selon Suleiman Bachir Diaye, il faut se placer d'abord en face de leurs pensées, de leur pensée pour en remonter les sources, peser les influences qui se sont exercées repérer d'un mot de quelques idées la doctrine est une synthèse. En effet, Senghor s'est investi dans la recherche des origines du peuple sérère, depuis leur départ de la vallée du fleuve Sénégal jusqu'à leur installation dans le territoire actuel, ainsi que la fondation des royaumes guélawars vers 1400 après Jésus-Christ. À cet effet, il organisa un colloque international à Dakar sur le royaume du Gabou, né après l'éclatement de l'Empire du Mali, nourri au royaume d'enfance de récits généalogiques comme de récits de le poète président pris même sur son clan des Tabors et sur le rôle que jouèrent dans la symbiose serrère et mandingue les Lamanas de la petite côte, maître des terres dont sa famille maternelle est originaire. Senghor raconte dans ses écrits que son père était fier d'avoir gardé la tradition de parler malinqué il y ajouté au demeurant le bambara, autre dialecte de la langue mandain. S'étant abreuvé à la source de la tradition orale sérère, les généalogues de griots, des poèmes épiques, des troubadours et des chants polyphoniques des femmes et jeunes filles sérères, Senghor était décidément prédestiné à être le poète de renommée mondiale qu'il fut et demeure aujourd'hui encore 22 ans après sa disparition. Senghor, c'est aussi le garçon qui a été très profondément marqué par les visites du Boursine, Kumbando Fendjouf, au domicile de son père, qui était un riche propriétaire terrien. Le roi était toujours entouré d'une très forte délégation composée entre autres de troubadours, de griots, de généalogistes. La forte personnalité de son père et le respect que lui vouait le Boursine constituent des éléments qui fondent déjà l'éducation du futur poète et homme d'État, le jeune poète Léopold pour des destinées futures et des responsabilités politiques. Un autre élément a contribué à forger son caractère, faisant de lui un brillant esprit critique. Il s'agit de son séjour auprès des pères du Saint-Esprit, d'abord à l'école de la mission catholique Saint-Joseph de Gazobille de 1914 à 1922, ensuite au collège séminaire niedermann en 1923. Le père Lalouse avec un esprit colonial prononcé selon Senghor qui trouvait qu'il insistait beaucoup sur nos défauts nègres et dénonçait notre retard sur le plan de la civilisation, comme j'avais reçu une éducation bourgeoise et même aristocrate, je réagissais en affirmant que nous avions, nous aussi, une civilisation. Pour Père Lalouse, il était surprenant de constater que le jeune garçon put développer un esprit qui marquait une certaine fierté de ses origines et que son peuple prétendit à une quelconque civilisation. Il en déduisit que ce garçon n'était pas apte à la voie du sacerdoce. L'on comprend alors en quoi chez Senghor l'affirmation de son identité culturelle, les manifestations de ses éléments de civilisation en somme, sa culture serrère sont des points cruciaux il convient de défendre et illustrer par tous les moyens humains, intellectuels, scientifiques et historiques nécessaires. Une troisième séquence non moins importante dans la carrière politique de l'homme d'État, c'est cette rencontre avec les femmes pangoles du mythique et mystique village de Missel, Missel pendant la campagne pour les élections législatives de 1951. Dans la préface qu'il a consacrée à l'ouvrage du révérend père Henri Gravran, Senghor raconte que l'administration coloniale n'était pas pour moi encore que François Mitterrand eût donné des instructions de neutralité. Ce matin-là, j'avais quitté Gilor sur la rive du Sil pour Joal. À la hauteur de Missel, je vis soudain, me barrant la route, une femme, la tête recouverte d'un voile blanc. S'approchant de ma camionnette, elle m'interrogea en serrère. C'est toi, Cédar Oui, c'est moi. Suis-moi. Je te suis. Je fus d'abord étonné par sa question. Je n'avais prévenu aucun village sur les 23 km qui séparent Joal de Gilor. Mais bientôt, m'apercevant que la vieille femme, une soixantaine, se dirigeait vers le Pangol, le bois sacré de Michel, le plus célèbre du Sine, je fus rassuré. Je découvris donc dans ce Pangol une douzaine de femmes d'âge mûr qui se mirent alors à chanter et doucement danser autour de la tombe de Meissawali Diom. Heureusement que j'avais bien non pas appris, mais écouté l'histoire des Gelawar. À la fin de la cérémonie, je buis avec les femmes un peu de crème de miel. En me quittant, elle m'annonça avec un éclat, un éclair dans les yeux. Tu remporteras les deux sièges de député. En effet, contrairement à toutes les prévisions, le BDS remporta effectivement les deux sièges. La mise en scène de la parole sacrée, poétisée par la danse et le doux murmure des femmes du bois sacré de Missel constitue une rencontre du sacré qui lui est dit l'invisible à travers des codes de langage non accessibles aux non-initiés. Dire, c'est à la fois savoir, avoir et pouvoir. C'est posséder le secret de la formule magique. Parvenir à nommer les dieux, les êtres et les choses dans la vie de Senghor, comme dans ses œuvres, il n'existe pas de frontière étanche entre l'homme et la nature. Tout au contraire, l'équilibre de l'homme, surtout l'africain, c'est dans le rapport de sympathie entre les deux. Voilà pourquoi l'arrivée de Léopold Senghor à Paris va marquer un moment de rupture, un choc psychologique, désormais écartelé entre deux cultures, l'Europe et l'Afrique. Ce point d'orgue de cet écartèlement se trouve dans l'expression de sa détresse avec l'invasion de la France par l'Allemagne en 1940 et lui-même fait prisonnier de guerre. C'est tout un symbole qui s'écroule, tout un mythe qui s'effondre. Senghor a décrit la France sous toutes les formes possibles. Néanmoins, l'esprit d'organisation et de méthode est l'une des leçons majeures qui l'ont obsédé. Mais aussi, il en a beaucoup tenu compte positivement à la tête de l'État du Sénégal réussir d'abord à faire du Sénégal un pays respecté par sa diplomatie, par sa discipline, la discipline de son armée, par la valeur de son élite intellectuelle, ensuite faire de ce peuple multiculturel une nation homogène, malgré la diversité de ses ethnies, c'était une gageure. Conclusion, je pourrais vous dire ceci. Dans un monde marqué par l'intolérance, l'incivisme et une absence de solidarité, un retour à nos valeurs morales et culturelles constitue la planche de salut, la planche de salut de notre élite et demeure notre meilleur rempart contre les agressions de tous bords et contre notre déshumanisation. Les Léopold Senghor nous le rappelle souvent, l'homme est au début et à la fin de tout développement. En nous invitant à nous enraciner dans nos valeurs traditionnelles et à nous ouvrir à nos valeurs fécondantes de l'Occident, le président Senghor nous rappelle à l'image de Montesquieu que pour être un grand homme, il faut être au milieu d'eux et non pas au-dessus des autres. Face aux prétentions d'uniformisation culturelle et civilisationnelle d'un Occident décadent envers le monde non occidental, notre réarmement moral et culturel demeure aujourd'hui notre seul salut. Senghor nous a déjà prévenu Au moment où les espoirs dans notre pays sont orientés vers les richesses de nos sols et de nos mers, il faut se convaincre qu'il n'y a que l'art et le savoir qui peuvent élever l'homme jusqu'au divin. Comme nous avons envisagé au début de notre discussion de faire notre développement avec l'homme, et voilà que nous recentrons tous nos espoirs sur l'Homo sénégalensis qui est notre meilleur investissement national. Je vous remercie de votre attention.